Le ballon est toujours pour, euh, pour les Rivers Hoopers. Les, les Hoopers menaient 1-0, euh, toujours pour les douanes, pardon. Les, Hoopers menaient 1-0 au tout début du match et ils n'ont plus jamais mené depuis. Votre euh, mémoire me surprend tout le temps parce que je ne me rappelle même pas moi de ce 1-0 là. moi je m'en souviens parce qu'on a dû attendre de longues minutes avant d'avoir les premiers points et c'était des lancers francs de Meka justement. Mais c'est leur chance hein, pour les River Super, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on voit, on voit la continuité de, perte de balles du côté de la zone, des mauvaises décisions offensives. On contestait ce shot-là. Ouais, c'est pas un bon shoot du tout. Il fallait le prendre à la fin de la possession. Ouais, il n'avait pas de, il pas d'autre solution. Mais qu'est-ce qu'il doit être fatigué, Will Perry, quand même. Et Olivier Mega, vous pensez pas qu'il est fatigué aussi oh. On l'a vu sourire, il fait un gros gros match lui par contre. Kelvin Amayo. Will Perry. périt. Ah, bonne défense d'un sur, sur la réception. Le catch and shoot pour Kelvin Amayo qui envoie un, avion. Et ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas eu d'énergie, ils ne fissent que d'attaquer la raquette une fois. Tout s'est passé à un mètre des trois points. Olysse Meka a plongé une fois dans la raquette, mais malheureusement il n'a pas reçu le ballon. Il faut qu'il fasse plus. Aruna, il perd un ballon. Offensivement, c'est pauvre. Eke qui va pas pouvoir terminer. à maillot. Eh ben finalement. oulala là plus 3. Et c'est bien, au moyen une contre-attaque d'Eke. Il se rapproche petit à petit de son but ultime. C'est-à-dire, c'est de, mettre un panier aujourd'hui ben, De mettre un panier, il, il était pas loin, ça a peut-être le mettre en jambe. Encore une fois, Malik l'a dit, hein, lors du panier à 3 points, euh, le, banc de la S-Douane s'est crispé. Ben voilà, c'est pas la même chose quand vous êtes devant quand, vous êtes derrière. Hein. Et ça va rentrer pour Akek. Et, c'est un petit miracle. Ça fait 5 points dans, ce troisième carton pour les douanes. Soit autant que les Hoopers dans le premier carton. On disait que c'était un premier carton catastrophique. Les douanes sont en train de faire pareil. un maillot. Ah, j'apprécie la déjante. C'est bien, le, pig and roll c'est bien parce que moins ça mène quitter dans le jeu passe difficile d'Ivan il y a Perry qui est ouvert. Et ça oh ne rentre pas pour Perry, rebond offensif pour Olysée Meka. Deuxième chance pour les River Soupers. Quel oh, il est difficile ce shot. il est, difficile. ce shot. Et le ballon va être rendu aux douanes batailler comme ça au rebond pour prendre un shot dans le, dans le coin en déséquilibre et contester. surtout qu'ils avaient encore 14 secondes ben sur la possession. Ça, c'est quand vous êtes un petit peu dans une mentalité à l'abordage, vous dites je prends ce que je peux avoir. Il est éprouvant ce match, pour les joueurs, mais aussi pour nous. Il reste 31 secondes dans ce troisième quart-temps. Et Perry qui va souffler un peu, il est tout rouge. Rouge d'épuisement. C'est en général plus il est rose, plus c'est dangereux pour l'adversaire, attention. Hein il est à point. Oui. 22 secondes dans ce troisième carton, temps Il en reste 10 sur la possession. Ballon encore une fois perdu par les doigts. C'est un 3 contre 1. Et il aura ah bah fallu attendre les 10 dernières secondes du troisième carton pour voir le premier panier de Divineke ce soir. Et les Rivers Hoopers qui gagnent de 3, points. points. Voici. Et ça va rentrer. Ça fait 8 points dans ce carton pour les Douane et ça permet justement au Sénégalais d'égaliser 41 partout. Alors on va revoir ces derniers tirs. il y a un doute sur le fait qu'il soit à 2 ou à 3 points. Oui, ce qui paraît sur le ralenti, il paraissait euh, être, être à 2 points. Bon, en tout cas, c'est la fin du troisième carton. On fait une toute petite pause et évidemment, on revient pour le quatrième carton. Voilà, c'est la pause à l'issue hein, de ce troisième carton entre l'AS Douane du Sénégal, bien sûr, et les Rivers Hoopers du Nigeria. Ce sont les Nigériens qui sont devant en termes de points pour la première fois, disons, depuis donc euh, le début de ce match. 41 points donc pour les Rivers Hoopers, 40 points pour les Sénégalais dans une rencontre assez pourrie excusez-moi le terme, un match très haché, un faux rythme hein, imprimé de part et d'autre. On sent beaucoup de fatigue de la part des Nigérians, ce qui est normal parce qu'ils mènent quand même, hein. on peut dire, au classement général avec euh, trois victoires prises lors des trois derniers matchs, alors que du côté du Sénégal, il faut aller chercher cette victoire-là pour se relancer dans cette compétition. On va rappeler que les Sénégalais comptent jusqu'ici une seule victoire en trois matchs. Et donc, euh, c'est le quatrième match ce soir de part et d'autre. Donc, les Nigériens ont moins de pression, on va le dire comme ça, alors que les Sénégalais ont du public dans les gradins. Mais du fait, bien sûr, de ce match haché, de ce match pourri comme ça, eh bien, tous les spectateurs du côté de la Dakar Arena sont assis calmement, comme de vrais spectateurs et donc pas des supporters, en attendant de voir si cela va s'emballer de part et d'autre. D'ici là, on espère donc euh, voir peut-être un quatrième carton beaucoup plus enlevé, avec beaucoup plus euh, de spectacles, mais surtout beaucoup plus euh, de beaux jeux de part et d'autre. Eh bien, étonnamment, on va le dire comme ça, les Nigérians sont devant et donc 41 points contre seulement 40 pour les Sénégalais. C'est à leur avantage, eux qui sont leaders, hein, les Nigérians, je parle bien sûr, de cette conférence du Sahara. En termes de statistiques, du côté du Nigeria, c'est bien Peter Olisemeka, 14 points, 15 rebonds et donc un double double alors que du côté du, Niger, et du, Sénégal pardon c'est seulement 15 points hein, pour Madouk Akek en forme habituellement 8 points pour Adama Diakite et seulement 7 petits points pour Abdoulaye Arouna qui avait planté rappelez-vous 31 points lors du deuxième match euh, du Sénégal remporté donc par l'AS Douane et du côté, bien sûr, des passes décisives, Will Perry essaie tant bien que mal de se maintenir avec cinq passes décisives. C'est à son honneur. Et donc, ça va repartir du côté de la Dakar Arena pour ce troisième, pour ce, quatrième, pardon, et dernier carton. C'est le carton de la vérité. Il n'y aura pas d'un autre, bien sûr, dans cette rencontre entre l'AS Douane du Sénégal et les Rivers Hoopers du Nigeria. On va repartir du côté de Dakar, si Georges est prêt. Et puis, bien sûr, on se retrouve lorsqu'il y aura un petit amour. À tout de suite. Ces deux équipes ont besoin de couper leur, perte de balles et de vraiment faire un effort dans leur prise de décision offensive. On a deux équipes alors, une qui est extrêmement fatiguée, les River Soupers. L'AS Douane, pour moi, qui a un gros avantage ce soir, mais qui n'arrive pas justement à, le démontrer au score parce qu'elle perd d'un point étonnamment. Améliorer la prise de décision, jouer en défense et limiter les pertes de balle. Alors, le chute de Boissy a été accordé à deux points. Effectivement, on est retourné à cet écart d'un point du coup. A maillot à l'intérieur. Ah, c'est bien, le lob bien vu, la petite passe en trop. Oh là là oh, là là Ah bah oui, ah bah oui, bien sûr qu'il y a faute. Ouh, technique. Faute technique pour voici. Ouais, ça fait bien longtemps de toute façon. Ça lui pendait au nez. Et c'est pas la première fois. Ça se sent qu'avec l'arbitre, on se sent que c'est pas la première fois que ça arrive. Et là, il lui a fait payer. On va voir maintenant sur le ralenti. Ah oui, bien sûr qu'il a faute. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a touché le fouetté du poignet. Alors, sur le Jumbotron, tous les joueurs de la s qui regardent et qui comprennent pas. Il a trop d'énergie sur sa boissie. C'est bien de, le demander, c'est bien de parler à l'arbitre, mais ça doit se faire d'une manière plus raisonnable. Et courtoise. exactement. On va retrouver en tout cas yebongi sur la ligne de lancer franc pour le le shooter et se lancer franc même ça, ça ne va pas rentrer. Et pourtant, on l'a surnommé Tafa Bucket. Hein. <laughs> bah ouais, pour l'instant, on l'a pas trop vu. Ça va venir, ça va venir, messieurs. 15 points pour le meilleur marqueur du match, c'est Akek du côté de la S-Douane. Et on a un sixième marqueur dans cette équipe pour les Hoopers. Il aura fallu attendre longtemps. Toujours aucun point pour Wilkins, qui est sur le banc de toute façon. allez quand même. Les deux points inscrits par, euh, par Banji Aruna. Ça va rentrer pour Amadou Aruna, qui n'a pas été en grande réussite pour l'instant. Mais ce shot fait du bien parce qu'il n'était pas facile ce shot. Alors on va voir quel rythme ils vont être capables de prendre les River Soupers offensivement ah, je pense que c'est à donne justement d'imposer son rythme, sinon il se laisse endormir. Hein. Oh là la réponse C'était pas, <laughs> c'était pas un cadeau. Ce shoot là, il s'est pas passé grand chose sur la possession. Non, il s'est pas passé. Je vais vous dire, je suis pas à l'aise quand il prend ses shots, mais il en a mis plusieurs depuis le début de la conférence. Il faut bien lui donner ça. Akek pas facile. Hein. En plus, il y a Ike qui est venu aider juste derrière. Qui est frais, sortant du banc. Ah, Mario. Qui ressort. Ah, c'est le moment. Si c'est. Oh là là là, là, Heureusement, rebond offensif. Mais le, oh est pas Qu'est-ce que c'est vilain. C'est du ball trap. Fofana. Et eh, ah, Mayo, qui défend plus là, il n'en peut plus, il a les jambes, il a, plus de jambes. Il a plus de jambes à Mayo. Deuxième chance pour la Fofana qui va trouver al Kalimdour. le ballon a été touché par le pied de Divine Regardez le shot d'Aruna, je le disais pas facile parce que le défenseur est là. Malgré qu'il n'est pas sauté, il est juste dans ses jambes la pause de demain va faire du bien à tout le monde. Waouh Gourdi 10 secondes sur la possession. Et on ne permet pas à Aruna de prendre le ballon, d'avoir le ballon. Regardez combien il est bien défendu Aruna. Akek qui s'arrête à mi-distance. Rebond offensif pour Fofana. Qu'est-ce qu'il domine hein, dans le secteur, les douaniers Et, et qui était si bon au rebond jusqu'à maintenant. Et le ballon est gratté par Eke Avec la faute oh derrière. Oh la, grosse erreur. Quelle naïveté. Quelle naïveté de la part de Mike Fofana. Oh, j'ai rarement vu ça. Dans un match de cette importance-là, j'ai rarement vu ça. Et le jusqu'en boutisme d'Eke derrière. On parlait des rebonds offensifs. Eke qui a une moyenne de 12 rebonds par match. Je trouve qu'il n'y a pas ça présent. Alors c'est plutôt des rebonds, vous savez, en contre-attaque, des, des petits rebonds comme ça voler à l'adversaire, mais on a besoin qu'il fasse des box qui qu'il moins, euh, qui se base moins sur ses qualités athlétiques, mais plutôt sur ses, sur ses fondamentaux. Il a 6 rebonds aujourd'hui, il y en a surtout 15 hein, pour l'Isemeka 14 points, 15 rebonds, dont 6 offensifs pour le big man des River Soupers. il est court. 0 sur 2, il fait 0 sur 2, Divine à l'image de son match complètement en travers. Les organismes sont épuisés du côté des Hoopers. Akek, Ibrahim Thomas à 3 points. C'est le bon. Ah, c'est dommage, mais toujours ce fameux rebond offensif. 0 sur 8 maintenant pour le big man. Diakité qui perd le ballon, qui le récupère pas. Bonji. Ah, il s'est bien battu. Et oh Thomas qui le Attendez, il y a un problème de chrono. Ouais, il faut le remettre à 24. Le ballon a été contrôlé, il faut le remettre à 24. On est sur une bouillie de basket quand même. Oh, le terme est tellement bien choisi, Étienne. Une bouillie qui fait aussi sable mouvant. Oui, oui. Parce qu'on est en train de s'empêtrer et il n'y a pas de fond et on est incapable de bouger. Sachez que dans mes pires cauchemars, ça joue mieux que ça. Mais vous êtes dedans mais eh vous pas dedans eh, Bien sûr, bien sûr que je suis dedans. oh, bah c'est malheureux et, je dunk. 46-43, <laughs> les Hoopers sont devant une possession, nouveau temps mort dans cette partie. Plus 3 pour les River Soupers. À 7 minutes de la fin de cette partie. ça, a été, ça a été extrêmement laborieux, mais encore une fois, à la fin de ce match, il y a une victoire à aller chercher. La qualification pour les River Hoopers et puis l'opportunité de bien se placer pour la S1. Et Pabigay qui a demandé à ses joueurs d'utiliser leur tête. Il y a trop de précipitations, il y a trop de déchets. Ah, ça fait 4 matchs qu'ils ont du mal, hein, la s -Douane. Ouais, marché, si le contre qui quitté, qui aura fait un bon début de partie et qui ensuite, un peu à l'image de son équipe, aura été très très brouillon. Regardez, oui, il a marché, il a marché, il a marché bien appelé de l'arbitre. On aurait pu croire qu'il y avait une petite poussette de Semeka sur la réception du ballon, mais il a les, gens, les pieds heureux. j'ai l'impression que Jacques a, des problèmes avec les noms de plus de trois syllabes. <laughs> ça, tire à balles réelles. C'est vrai que c'est Victor que dit. Ah, mais c'est que j'ai dit un petit peu vite, Olizemeka, par contre. <laughs> Et c'est parce que le mien est tellement court, vous savez, Malik. Ah, je comprends, je comprends. je trouve pas que le vôtre est court. Un maillot. 7 secondes. Ah, la belle passe. Il faut qu'il monte. Oh non et c'est ah, ben cette la rentrée pour Divineke. Oh là là, qu'est-ce que c'est Amayo, qui a, qui a été capable d'attaquer la raquette et on sait qu'il a un petit jeu de passe à ce niveau-là. Ça leur fait du bien. Tous les paniers font du bien de toute façon. Bien quitté il le perd son duel face à, voilà. à mais là Il va le battre en revanche. Et ça faisait une bonne dizaine de minutes hein, qu'on avait plus vu euh, mettre un panier. Ça lui fait 10 points maintenant, 4 sur 12. Oyebonji, Olise Meka qui va se faire pâcher par derrière par El Kalindour. Pas de coup de sifflet. La défense agressive des Hoopers. Ibrahima Thomas qui refuse le shoot. Oh là là là là, qu'est-ce que c'est brouillon. Ah, et le ballon qui va juste toucher, c'est dommage pour Aruna. C'est son type de shot justement en mouvement, en première décision. Ah, trop long, ça se voit. Le rebond pour Dour Oh là là là là là là, le ballon est déjà perdu par les douanes. Heureusement que Pabigué a demandé avec à jouer avec sa tête il y a quelques minutes parce que ah, pour l'instant on ne le voit pas. Hein. Ils sont en train de se compliquer le match. Will Perry. Et nouveau ballon perdu. Euh, gros manque de lucidité des deux côtés. Hein. Sans défense, ça va se jouer. Parce qu'en tout cas, en attaque, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, belle passe. Ibrahima Thomas, très très belle passe. étant mort, demandé par euh, le coach Audou. Les douanes sont revenus sur ce panier facile d'Adama Diakité. est très bien lobé derrière, et puis vous avez un défenseur qui n'a pas la même taille. Le seul joueur qui a un petit peu de taille, c'est Lucien Meka pour l'instant, et il n'est pas très grand à l'intérieur. 14 points et 16 rebonds pour Olysée Meka, dont 6 offensifs. Est-ce qu'ils vont réussir à l'enflammer cette fin de match, les douanes il suffirait d'un gros shoot, comme je disais il y a, deux jours, d'un stop et d'un gros shoot, et la salle donnerait de la voix. Ah, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire facilement avec des joueurs comme Aruna, jean joël Boissy, qui malgré tout, à chaque fois qu'il a le ballon, on s'attend toujours à un de ses fameux shots. Même si pour l'instant et depuis le début de la conférence, il n'a pas été vraiment été capable de trouver les chemins du filet, surtout derrière la ligne de trois points. Mais ils peuvent véritablement le faire. La salle n'attend que ça. La salle mais nous aussi, on attend que ça. <laughs> nous aussi, on attend que ça. Un petit peu de choses à, raconter, un peu d'émotion à transmettre. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup des émotions dans cette partie. Et c'est pas faute d'avoir du talent de chaque côté. En tout cas, messieurs, Eke Divine, qui n'est pas très divin ce soir, a pris une volée de bois vert dans un mélange d'anglais et de pidgin nigérien. Ah, il est vraiment pas dans un bon soir pour l'instant. Heureusement qu'il est actif pas loin de l'anneau, il a retrouvé quelques petits rebonds. Heureusement qu'il a couru en contre-attaque, mais c'est vrai, c'est pas le c'est pas le Eke qu'on a connu lors des trois premiers matchs. En fait, ce qui lui manque vraiment, c'est un petit peu de toucher euh, dans, ses shots, dans ses trois points. Allez, on va passer en zone. Will Perry qui profite de l'écran de Lizemeka. Bien joué, Oli. Bonji Perry. C'est contré par le ah, il fait du bien. Hein. fait du bien défensivement. Akek. Et on le retrouve ici, le capitaine de cette équipe de la douane Bonne passe. Thomas. Euh, Diakité, pardon. Sur sa main gauche. Et Thomas, justement. Oh, là, Il va pas réussir à en mettre un aujourd'hui, Brahima Thomas. Olysée Meka en mode volleyeur dans la raquette. Ça fait 0 sur 9 maintenant pour Ibrahima Thomas. Oh là là là là là là, mais qu'est-ce qu'il a été important en lycée Meka. Alors on parle de la fatigue de tous les joueurs, mais lui alors dans cette raquette. 4 minutes à jouer. Thomas qui manque un dixième shoot aujourd'hui. Ah, il faut qu'il court les rivers sous poche. On sait qu'ils sont fatigués, mais ils doivent courir s'ils veulent se donner une opportunité parce qu'à chaque fois, ils vont se casser les dents sur cette zone. Will Perry. à maillot. Il n'y a pas assez de mouvement pour l'instant, pas assez de mouvement. Et même Olizeme qui est en échec à l'intérieur. On est sur des, bases d'un des plus petits matchs de l'histoire en termes de scoring nouveau, ballon perdu pas d'angle de passe. Il suffisait d'un drift de décalage sur sa gauche pour donner une passe à terre. Oui, je pense que malgré qu'Ibrahima Thomas soit un big man, je pense qu'il est plus à l'aise quand les ballons viennent directement poitrine ou avec un rebond. Il est plus le joueur qui était, qui a envie de, a envie de sauter. Il faut être un peu plus précis dans la qualité de sa passe. Oh, c'est pauvre en mouvement, c'est pauvre en mouvement. Il faut bouger le ballon, il faut attaquer la raquette. Oh là là et puis on va rien dire, on n'a pas de faute. à Kalindour. Aruna, il est loin. Il est très très et ça va rentrer pour Aruna. Et c'est ce dont avait besoin la salle pour s'enflammer. Et les douanes sont devant. Ah, c'est peut-être maintenant que ça va jouer pour la S-Douane. Aïe aïe aïe, le petit filet. Il me semble bien qu'elle y ait cette faute. Il est très très loin sur ce shot. Malheureusement, on n'a pas vu le ralenti. Alors ça va être la quatrième faute d'Aruda, si je ne m'abuse. Exactement. Oh, c'est au mental que ça va jouer c'est sur, sa dernière minute. Les deux équipes sont complètement éprouvées. Il n'y a pas eu d'adresse de chaque côté. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon courage à celui qui doit monter les highlights. Ah, ça va être difficile, mais ça n'empêche. La valeur de cette victoire est hyper importante pour les deux équipes. On est finalement arrivé dans un, un, money time, euh, je pense qu'elle a commencé depuis 40 minutes, hein, vu euh, le, peu de panier qu'il y a. À Oh là là, qui perd son équilibre. Ibrahim Thomas pour enfin en mettre un. Ça ne rentre pas, ça a bien ah, suivi de la part d'Aken qui est partout. 17 points pour le sud soudanais maintenant. C'est la zone qui fait du mal. La bonne zone de la S-Douane qui ne permet pas. Il n'y a, plus de mouvement, vous devez bouger contre cette zone. Non seulement vous les ballons doivent bouger, mais aussi les corps, et c'est compliqué. Et le nouvel échec. Mais ça ressemble même à une zone presque mi terrain Oh là là là là là là, que de contact. Parce qu'ils défendent très très haut, hein, les Gabelous Il va y avoir la faute d'Olysée Meka. c'est la première seulement. Il aura réussi à jouer tout le match avec Diakité et Thomas sur le dos. Il n'a fait qu'une faute. Oui. Et elle est même pas à l'intérieur. Alors qu'on l'avait, on l'avait bien expliqué, on l'avait dit comment est-ce qu'il allait pouvoir tenir en sachant qu'il pouvait jouer dans la raquette. Et là, elle fait du bruit cette salle. Là, elle fait du bruit. C'est maintenant pour la douane Ils doivent continuer d'attaquer. Il y a 4 points d'avance. Si jamais ils l'emportent de 10, ils remporteront même le tiebreaker sur les Hoopers. Et quand on voit dans quel état sont les Nigérians, on peut peut-être se demander s'il n'y a pas quelque chose à faire justement pour, les, pour la douane Ils doivent mettre la pression, ils doivent... Euh, j'aime beaucoup leur zone, j'aime beaucoup l'agressivité, mais ils doivent mettre beaucoup plus de pression. Vous avez dit, le goal verrage est tellement important que cette dernière minute euh, et 50 secondes, ils doivent être à fond. Je sais pas comment les Hoopers vont s'en sortir parce regardez, que regardez leur, tête. Oui, mais ils sont, <laughs> le, compteur est à zéro. Ils sont affalés. Regardez, Amayou est affalé sur son sur sa chaise. Et il y aura deux autres matchs à jouer derrière. Évidemment pour les Hoopers contre la PR, contre Monastir, ça sera pas facile. 17 rebonds pour les Semekas, c'est incroyable. Alors je peux vous dire que Amayo, il est complètement carbo là. Mais le coach Odaodou qui vient de rappeler justement à ses joueurs ce que vous disiez messieurs, le goal à peut être important donc on joue jusqu'au bout. Ils, ils, doivent le savoir de toute façon les douanes, il faut continuer à pousser. Il ferait une magnifique opération s'il venait à l'emporter avec la, manière en prime et le goal à verrage, Et la faute à bien sûr. Ah non, c'est un marché sifflé finalement. Oh, ils s'en sortent bien. Je pense qu'Amayo allait se plaindre à l'arbitre. Et lui-même a été cerclé par, le, par ce qu'on a appelé. On va voir sur l'action. Alors, sur une violation, il n'y a pas de review. Hein sur une faute, on peut faire un review, pas sur une violation. Allez, c'est la zone. Est-ce qu'ils vont avoir l'énergie de bouger, de couper niquer avec eh, Chris qui ne tient plus en place. Hein. Il est debout, il est le quatrième assistant coach. Le rebond pour Ibrahima Thomas, c'était un rebond important ça maintenant. John Wicky s'est monté justement pour amener aussi une menace à trois points. il y a eh Ouais, ouais, 8 secondes, 8 secondes. Non, non, non, il y a violation des 8 secondes, messieurs. Ballon, Hooper. Et il y a eu la colère hein, de Pabigay. Ah oui. Sur un précédent temps mort, il leur demandait d'utiliser la tête, mais là, sur ce coup, ils ne l'ont pas fait. Hein. Et ça fait deux fois, hein. deux fois qu'ils rendent des ballons un peu bêtes Attention à pas le perdre ce match. On parle de goal à mais attention à déjà le gagner pour les douaniers. Ah oui, ce qui serait une très bonne chose. On y est un peu dans le scénario dont, on parlait avant le début du match, après la victoire de Monastir. Si jamais Monastir l'emporte et que les douaniers l'emportent, on a cette conférence qui est dans dans tous ces états sont dessus dessous, toutes les expressions les plus, euh, les plus moisies, on va pouvoir les sortir. <laughs> Alors messieurs, je ne sais pas si vous le voyez sur vos écrans, l'AS a un supporter inattendu qui s'appelle Chris... Et Chris Crawford est en train d'encourager ses anciens coéquipiers. Parce qu'une victoire de l'AS fait du bien à Monastir. Je euh, je suis pas sûr justement moi que ça ferait du bien à Monastir parce que avec euh, si peu de défaites, avec si peu de victoires, il faut que faut que Monastir pense aussi à se qualifier. Oui, mais lui, il part du principe que Monastir va gagner les prochains matchs. Ah, eh ben, tant mieux pour lui, parce que faut pas les jouer l'avance, ces matchs-là. Allez, des lancers c'est sûr, Will Perry sur la ligne, c'est la valeur sûre. heureusement qu'il ne tremble pas. Il a pas été très adroit aujourd'hui, il a fait 3 sur 11 au shoot, 3 sur 10 à 3 points. mais il met ses lancers. Et il est toujours impeccable. Est-ce qu'ils sont capables d'aller l'arracher ce match, les Hoopers oui. les des Hoopers, la S-Douane. On sent quand même l'avantage du côté de la S-Douane s'il continue à, prendre de bonnes décisions. On a bien aimé, j'ai bien aimé Jour Sodia qui est à l'intérieur. Akek qui attaque et qui va perdre le ballon. Ah là là là là, c'est Divine Ça c'est dur, ça c'est très très dur. Ouais, on va aller revoir. Alors, pas, on n'avait pas le meilleur angle, mais je pense quand même que le ballon devrait retourner du côté de la S-Douane. Est-ce que c'est... Alors, en tout cas, l'arbitre qui est très bien placé disait qu'Akek a rouché le ballon avec le, avec le genou. Ah oui, oui, oui, ça arrive. Mais comme je disais, on n'avait pas. Non, nous, on ne peut pas le voir. Oui, on ne peut pas le voir de notre côté, donc ça va être intéressant de. Mais l'arbitre était très bien placé pour le coup, bien mieux que nous.